Euh, bu ki nga xam que moo di Moustapha Sy ñu le plus grand perdant euh, si li nga xam nekk moo coalition bi euh, ban étape na ko situé. non pour moi le plus grand perdant dans cette coalition il s'appelle Pape Djibril Fall. comment. ah mais eh, il n'est pas député. il n'est pas député. donc c'est demoon na dina amaat. non dama c'est-à-dire Pape Djibril Fall demoon na boppam élection mu am député. Hmm. dem na présidentielle. Mais Taï, c'est le plus grand perdant, en quelque sorte. Et puis beaucoup ont perdu d'ailleurs. Mm. Pur aussi, c'est un grand perdant. Pur, il y a des Ousmane Sonko, il y a député là. Il y a recherche. Pur, il y a si, euh, euh, 11 euh, députés. Pur, il y a des Ousmane Sonko. 22. Hein? Ouais, ouais, ouais. 2022, il y a 11. 11 députés. Il y a des députés là. Ben. Ben. Euh, taxaw Dakar bi ñu ànd Ousmane Sonko ñaata député la ñu am 13 13 13 bii paa ñaar la ñu am taxaw Dakar benn. benn la ñam euh, PDS bi mu àndee ak Ousmane Sonko intercoalition yee walu ñaar député la ñu amoon. mi woon 24. quatre. ah ba PDS ñaar la am. PS liste euh, Amadou wala. liste non liste Macky la PDS boko ko waaw. waaw takku bi. deux deux waaw. kon ñan ñoo perte. donc ça montre que c'est Ousmane Sonko qui polarise l'électorat c'est Ousmane Sonko qui distribuait les cartes qui polarisait l'électorat. donc nous seen que grâce à Ousmane Sonko. Donc, nga jël une carte C'est am naba xooj Sonko a jël as bi 10 bi ak valet <laughs> c'est ça la réalité cest à comparaison simple la meilleure réponse que je t'ai donnée. Hmm. mënul weesu hmm. quand ils étaient avec Sonko le PUR avait 11 députés. Hmm quand ils étaient avec Ousmane Sonko taxaw Dakar Khalifa Sall Barthélémy Diaz s'est retrouvé avec à peu près 13 députés. Hmm. le PDS quand ils s'étaient alliés avec Ousmane Sonko ils se sont retrouvés hmm. avec quasiment un groupe parlementaire. mais aujourd'hui au sortir de ces élections deux ans après le PUR se retrouve avec un seul député Youm Dakar dans son ensemble avec un seul député. Hmm. le PDS se retrouve avec deux députés. Quand Ousmane Sonko Sonko c'est aussi simple loolu mooy de Bougane Gueye depuis 2017 bataille tey mi ci langue politique bi exactement tey Tahirou Sarr tey ñëw député am na coalition ay àndoo la ñëpp député euh, Bougane da nga gis moom prospérité wala kon benn wala politique. waaw mais xam nga politique comme hmm. ku mu neex mën nga koo def. Hmm. mais fi ñu xaymaa réussite homme politique mooy bu ñu ci ay élections c'est au sortir des élections qu'on peut mesurer mm. euh, véritablement euh, l'échec ou, la, réussite. Mm. Donc, mm. Bougane Nekul, si langue politique depuis 2017, attention. Moi, je l'avais vu venir parce que Bimtege a fait un bon Give One Project 2012. On avait échangé d'ailleurs. 2018. Voilà. Ah, donc, ah, avant présidentiel 2019. Donc 2019, présidentiel, le commencer mm. clairement mais maintenant amna ay erreurs stratégiques yo xamni dans sa démarche parce que nit aussi parfois baxna ngay évaluer hmm. nga xol yow ndax yoon bi nga jël ndax baxna nga xol yan manquement nga parce que bougan participer à élection locale bim participer participer élection locale wone alliance et cetera ensuite présidentielle bi demul mais man dama japp ni en politique les erreurs se paient cash. fait des erreurs. waaw dafa def erreur monumentale pour moi, c'est ça son erreur fatale. Après, pour rattraper l'erreur, ce ne sera pas facile. Parce que pour moi, c'est lors de l'élection présidentielle. Parce que des fois, c'est des moments déterminants. Mm. Parce que on peut te sortir du jeu politique, mais on ne peut pas sortir du jeu électoral. cest ça, c'est de l'intelligence stratégique, quoi. Tout le monde m'a conseillé, tout le monde Mais si moi, j'étais à sa place, tu sais, nous avons un discours. yaa ngi prôné anti système tu te bats contre Macky Sall euh, tëj na say entreprise tëj na sa télé et cetera nga waroon a bokk présidentielle parenage bi xañ la ko deux fois nga jàpp ni Macky la ko xañ kon nga toog yow buggaan nga ne ku ma gis ngay xeex ak Macky damay jël yat bi mu dóor la nga toogaat nga ne yow gisoo kenn ku gën a représentatif ci opposition bi bu ñu waree jàppale ñii ngay jàppale Sonko ak Diomaye wa bi période jappelé joté c'était simple xamal la won hmm. suma don mom moom. Hmm. na amna am jakarlo nguru jàkkaarloog Macky Sall ñaari yoon xagn nañ mako idéal bi mo don xex système bi mo don xex mu ngi fi taxaw kon Lima am man sama kaddu ak sama doole ak sama yene damay dajale yépp ma tek ko ci loxo ñi su ko buggaan defoon il en sortirait grand.

non c'est-à-dire neutre amour en politique neutralité amour mënul nekk faire le choix de non choix c'est un choix c'est-à-dire dafa mel ni nga fekk rëg-rëg rëg-rëg fi regret, toll hmm. di di di xeex ak eh, yaaw dial nga ñëw ne neutre kon eh, yow kon rëg-rëg nga faral da nga bëgg mu mu yaaw dial hmm. il faut faire des choix dans la vie donc pour man choix bob c'était déterminant après à partir de ce choix pour moi, c'est d'ailleurs moo tax même son mouvement gëm sa il a commencé à perdre ñenn ñi après mu premier jour yi mu indi une opposition radicale et d'ailleurs il avait même fait de l'ombre aux autres c'est vers la fin que le Barthélemy Diaz ñëw taxaw taxawaay Bobu, indi jamarlo, indi coow mais coow après Bougan Moko euh, yóbbu police centrale yob Tamba. Mm. dites à ah, vos supérieurs que je serai à Bakel etc. est-ce que la démarche a été la bonne donc pour moi, il devrait avoir son identité propre hein. mais aussi euh, am une logique et une cohérence parce que Mouno ñëw nga ne àndoo ak askan parce que Khalifa Sall tu considères qu'il a été le plus grand traître nga ne ay couleur magenta après toi tu te ay avec Khalifa mais aussi yow le fait que nga nekk intercoalition ak Macky ça veut dire kon li nga doon xeex ak Macky daa mel ni gëmuloo ko maintenant gëm sa bopp baax na mais tey bu jógee ci élection yaakaar naa dina def xam sa bopp xam sa bopp c'est de mots l'essentiel mooy nag ma dégg. <laughs> xam sa bopp exactement waaw parce que élection tamit nattukaay la dina tax nga xam sa bopp aussi. mais euh, ci yow tamit leen jaaxalu la mooy <laughs> félicitation yi nu mu séparé. euh, di félicité si turu comme sa bopp. parti tamit jazz félicité état état de état ku félicité sa yow sa turu boppam est-ce que loolu peut-être euh, ñu pousser suñu réflexion que ni coalition bi si tas la jëm. waaw mais pour man c'est très prématuré nga à partir de félicitations man maa ni félicité naa du <laughs> sëg. Hmm. c'est pas un problème ñu doon xaar benn communication. nga bëggoon mooy ñu def ñoom ñëpp mais ci diggante bi ñoom jotu ñoo toog pour évaluer mais en attendant. Hmm. Euh, ku nekk war nga a féliciter maintenant félicitation bi ñaar la ci gars image aussi parce que am na loo koy defee day mel ni da ngaa ñàq ba pare donc euh, donc donc moo tax euh, ku si aussi image bi nga ci wut mooy ñu ne ko tu es un démocrate et que tu as hmm. accepté les résultats des urnes maintenant comme nous ñoo demandé une élection comme tu as dit la logique voudrait que nous def parce que nous nañ communiqué mais cette fois-ci on n'a pas vu communiquer euh, communiqué ça engage tout mais on a vu que chacun est allé euh, en solitaire pour faire euh, un communiqué pour féliciter son adversaire et mm. tu as parfaitement raison que mais pour moi, euh, c'est bien quand même il faut saluer l'acte parce que le fait que nous ñu eu élection ñu gagné nous ñu nangu ni gagné nañ leen ba nous félicité ki leen gagné loolu defal defal lu dul la démocratie. taxaw Sénégal faut dire retraite am si histoire politique. retraite. non ah. non je ne pense pas. je ne a ñëwaat nga jàpp ni. ah non c'est-à-dire il dafa a nga wax retraite politique retraite politique. maanaam suñu une retraite. Euh, est-ce que su nekkee nii la nga ko bëgg a euh, bàyyee sans peut-être changement est-ce que jàpp nga ni dina mën a gagner dara concrètement oui mais non c'est rare xam nga politique ay cycle la. Hmm. c'est comme football. fa jamono bo xamné ni bi may nekk xale Manchester la gisoon moy tay ñom Beckham c'est un cycle en fait. cycle boobu su jeexee benen cycle moy ñow hmm. donc tey Sonko en venant euh j'ai l'habitude de dire que élection présidentielle bi. Euh, Sonko, c'est un ouragan politique. Mm-hmm. Mais qui a secoué l'arbre. Et quand tu secoues l'arbre, les feuilles mortes vont tomber. Et quand ces feuilles mortes vont tomber, il y aura de, de nouvelles belles fleurs. Mm. Maintenant, la classe politique est obligée de se renouveler. elle va se renouveler naturellement. Maintenant, c'est pas aller Aujourd'hui, par exemple, les partis classiques vont disparaître. Par exemple, euh, l'Idalon PS, mon est guetté PDS Tay. Mm. Euh, Tay, PDS, Tafsir ils sont parvenus à avoir un député. Mm quand kon dafa affaiblir et si un choix choix par exemple tu devrais me poser la question sur Karim quelqu'un qui qui rate deux élections présidentielles qui se retrouve avec son bourreau qui disait que lui, il est victime de Maxal et qui se roule avec Maxal. Quel est son avenir politique, par exemple Ensuite, ce serait prématuré. député, Oui, mais ce serait prématuré hmm. de prédestiner de l'avenir des uns et des autres. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il y aura renouvellement de la classe politique parce que la politique, elle est dynamique et que les acteurs vont changer. Et naturellement, euh, taille. Euh, taxaw Dakar balaa muy nekk taxaw c'était une partie mm. du parti socialiste en fait mm. mais tey c'est une dégringolade c'est-à-dire ku jóge woon ci li 14 députés, député nga ñëw ci député xam nga Wolof Njaay nee na kuy naaw say donc di ruus fi nga jëm daa sorewul mm. maintenant il faut que nous ñu am l'intelligence stratégique de se reconstituer et de se positionner sur la scène politique avec quel discours c'est clair parce ah. que opposé à ak Sonko yombul ah, yombul alors léegi nag boo Sonko Sonko lu li ko la wala limu man mën mënuloo ko wala discours bi mu tenir donc pour man ku nekk da nga war a am sa sa identité propre. Mm. et puis l' interlocuteur c' est les sénégalais. alors mi non noonu exactement par rapport ak li nga xam ne que moo di ces élections ak aussi euh, jàngat bi ces différentes. C'est laaj da nga koy tegale doo may ndox doo may ma nooyi. Euh, sonal nga ma <laughs> alors <laughs> ñu wéyal ba tey suñu waxtaan waaw ah. ñu ñëw si. Euh,